Bienvenue sur Tous à la Fada, une production du studio Kalangu pour les jeunes. Nous sommes actuellement à Agadez pour ce nouveau numéro de Tous à la Fada pour parler de la problématique de la consommation des stupéfiants dans la zone grand carrefour historique d'échanges commerciaux. Agadez continue encore de garder cette caractéristique car constitue un passage dans le trafic de tout genre, tel que des stupéfiants. Mais Agadez, ou oh, mantis stupéfiants, non, Birabe, mission nyamai, partio, oh, baengo, kolo neno dan ne ne des fruits du fait de la circulation de ces drogues dans la région beaucoup de jeunes se sont retrouvés à consommer des stupéfiants en première partie d'émission Rabi a évoqué les raisons qui poussent ces jeunes à consommer ces drogues et surtout l'ampleur de la pratique sur place Face à ce phénomène de société agadaise, mais aussi à son caractère délictuel pour les dealers trafiquants, nous allons échanger avec la jeunesse d'Agadez, des structures de jeunes et des autorités locales et la police. Mais je ne pense pas si la police est dans la place. Parce que pour avoir l'intervention de la police, c'est toute une procédure. Le dossier doit remonter jusqu'au ministère de l'Intérieur, afin d'avoir des informations sur les actions de prévention et de répression contre le trafic, la vente et la consommation de stupéfiants dans la région d'Aga. Attends. Donc nous allons aborder le thème intitulé Consommation des stupéfiants par les jeux, les actions de lutte contre la pratique Agadez. Dans un instant avec nos invités. Pour vous, vous qui êtes en train d'écouter cette émission à travers le Niger, parce que tout Salafada, c'est pas que Niamey, c'est pas Agadez, c'est tout le Niger. Vous êtes certainement connectés un peu partout. Eh bien, nous vous souhaitons la bienvenue. La bienvenue sur cette émission spéciale. Nous sommes dans la Yir. Vous pouvez donc nous écrire au 80 06 88 54. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, tout ça la fada, c'est 35 minutes d'échange. Vous aurez de la musique, la rubrique L'artiste s'exprime dans un instant, mais aussi de Mr. Olivier qui va intervenir sur cette émission. Oli on te souhaite la bienvenue sur l'émission. Merci, mon vieux, merci beaucoup. Merci infini. Merci beaucoup. Alors, si je te dis what you want, qu'est-ce que tu vas me répondre Al Khalas. Mais je te jure, on m'a filé ça. Ah, super. Alors, Olivier, on te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup, mon vieux. Ça va, de quoi parle le texte aujourd'hui ah ben, aujourd'hui, on va terminer ce qu'on a commencé hier. On va parler de la compétitivité. On va se demander comment est-ce qu'on peut utiliser cette compétitivité pour aller loin. Ah, ah Donc, merci, Olivier. on se prend dans un instant. les Ladies and tout la fada, en est Décollage imminent. Nous sommes actuellement installés avec nos invités au niveau de, vous allez devoir répondre, Monsieur le Président, du Conseil communal de la jeunesse d'Agadez. Ça va bien Ça va bien, je vais bien. Vous avez les informations de Niamey, vous avez les nouvelles de Ali Morou, président du Conseil de la jeunesse Oui, on a ces informations. Super. Alors nous sommes exactement situés où Monsieur le Président Nous sommes actuellement dans l'enceinte de la Maison de culture l'Aya d'Agadez. Maison de Culture, l'Aya d'Agadez. Nous sommes des hommes de culture. Alors l'émission, c'est aussi l'ambiance. Qu'est-ce que vous allez me faire de culturel d'Agadez sur cette émission il y a tellement de, tande, tande, trucs Tande, tande, wasa, tande. <laughs> Voilà. Non, mais, mais eh, là, c'était ma voix. On va essayer de lui faire un maximum de bruit et chanter avec lui. Vous êtes d'accord avec moi Si tu ne peux pas, quelqu'un peut te sauver. Non, je ne peux pas. Je peux Tu ne peux pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour sauver le jeune Personne pour me faire un truc non, ah, Il a commencé. Eh c'est ça aussi l'émission. Tout ça la Je vous demande de vous faire un maximum de bruit, s'il vous plaît. Une émission consacrée donc à la jeunesse du Niger. Mesdames et messieurs, nous sommes à C'était le show. Grand frère, je commencerai par vous. Vous allez devoir vous présenter pour permettre à toute la jeunesse nigérienne de savoir à qui avoir l'honneur. Parce que vous êtes déjà habillé traditionnellement. Vous avez votre turban, vous êtes euh, bien évidemment dans un style de la région d'Agadez. Comment est-ce qu'on appelle les chaussures qu'il porte vous êtes en teratar. Ah, écoute, il ne faut pas rouler des airs ici, il ne faut pas, eh faut ben, vomir ici. Il n'y a pas de souci, je ne vomis pas, mon grand. Donc, présentez-vous, s'il vous plaît. Euh, moi, c'est Rabidine Ataka. Rabidine Ataka, je vous demande de lui faire un maximum de bruit, s'il vous plaît. Donc, euh, vous êtes. Euh, je suis un influenceur, comme viens de le dire, et aussi je fais partie des OSC de la région d'Agadez. Waouh Et nous, c'est les influenceurs que nous cherchons, parce qu'on veut tousser les jeunes. Et eh, s'il vous plaît, je vous demande, on fait du bruit. on revient à vous dans un instant. Vous êtes chez vous, hein oui. Allez-y, sur l'émission Tous à la Fada. Franchement, c'est votre émission. Aja, ça va bien C'est madame ou c'est mademoiselle C'est mademoiselle. Il n'y a pas de souci, ça n'a aucune importance. À qui avons vous l'honneur euh, Moi, c'est Aïchatou Mamadou Salaw. Aïchatou Mamadou Salaw. Vous êtes je suis la coordinatrice de l'ONG Non à la délinquance juvénile et prostitution des jeunes filles. À la délinquance juvénile. Sauvons la femme et les enfants du monde entier. Respectez la, femme, c'est la mère de l'humanité. Eh, vous êtes en train de sauver les enfants. Pour ça, on vous dit respect et considération. Je vous demande de faire du bruit pour cette grande dame, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés au président. Je sais qu'il est le président des jeunes de la région d'Agadez. Monsieur le président communal, vous allez vous présenter à qui avons-nous l'honneur On sait déjà que vous êtes le président communal. Oui, c'est Wadel Boubacar Dominique. Wadel Boubacar. On est ensemble, Wadel. On va pas t'applaudir sur cette émission parce que t'as pas élevé ta voix et tu as refusé de chanter. On lui fait ah, c'est notre président D'accord, pas de souci. On fait enfin un maximum de bruit pour le président. Merci, merci beaucoup. Madame, vous allez bien Ça va. Vous êtes en forme vous allez vous présenter, s'il vous plaît Moi, c'est Fatima Mohamed. Je suis la présidente de l'association des jeunes filles leaders ici à Gades. L'association des influenceurs Jeunes filles leaders. Ah, les jeunes filles leaders Oui, les jeunes filles leaders. Ok, la dernière invitée sur la liste, parce que nous avons aussi des jeunes qui sont avec nous. Vous avez la possibilité d'intervenir à tout moment. Parce qu'il nous faut au moins cibler 4 à 5 invités. Elle va se présenter. Aja comment vous allez ça va. Vous pouvez nous dire votre nom, s'il vous plaît Oui, moi, c'est Mariama Abderramine. Mariama Abderramine. Oui. Vous êtes Je suis présidente de l'ONG IFINEFE, qui veut dire protection de l'enfant, de la femme et de l'environnement. Protection de la femme De l'enfant et de l'environnement. Donc, Boro, on environnement de nos tonton. Vous menez un peu le même combat. Oui. Mais est-ce que vous vous connaissez Très bien. Vous avez l'habitude de travailler ensemble Exactement. Nous, c'est l'union qui fait la force. Oui. Donc, souvent, la femme et les enfants du monde et profitons de l'occasion pour sauver aussi l'environnement. Vous êtes d'accord avec moi D'accord. Est-ce que les jeunes, vous êtes dans la place ce soir Oui, Ah, le vieux. Eh, les jeunes sont dans la place. Donc on peut attendre le vivre du chien. Quelle est la situation actuelle des jeunes d'Agadez face à la consommation des stupéfiants Hajia, Myriam, Ninorg Sintinda. jama'a alaikum wa alaikum salam mutuwa sai mai haramu zankai problème hmm. agadez consommation stupéfiant hein, bon hmm. vraiment problème ah. Il Il irdi kan zanka no ago touché zankai hmm. zanka kaina danga wa kan 15 ans 15 ans fala ir wo il problème ka indi kan warbara zeno mm. parce que warbara ngono subanya hadde subanya gonda problème kenan suba maino gizan kai eduke a gonda gabi a gonda gabi hadde de wo bora sar wundo rangono to wundo ganjo ngono wundo ganjo wala wundo ko no ganda exactement nga seno ngone vraiment problème wo ir autorité mm. da zankai paran dir bumbo da go haraka wora mhm. ir himagadi matano irga problem wo kayandi irga bai ka ga kayandi mm. amma zabu mm. amma irgo te sensibilisation ye irga ka sensibilisation ga deja a situation aja ni ka je bafa son kango ce oh. qu'est-ce qui explique un peu ce phénomène pourquoi on constate que qu'est-ce qui explique ça Bon, personnellement, hmm. après deux ans d'études, mhm. on a compris quelques 8 à 10 causes de cette consommation. 8 à 10 causes de cette consommation. De cette consommation. Ah ici Donc la première cause, d'après les enquêtes qu'on a menées, mhm. les filles nous ont dit que l'un des premiers facteurs de problème, c'est la carence affective familiale. C'est-à-dire, France China ou Inès Sanga, mm. la fille, mm. elle commence à s'émanciper. Mm.

Dernier, elle a été violée. Société a accepté. Ah, voilà, on va dire que c'est elle la principale cause de son propre viol. Irma, Inzanta. Inzanta, Ingnogati, les problèmes des mass médias. Problèmes des mass médias, télé télé, internet, intranet. Mm, on regarde les mm. les films romantiques de Lovelace TV mhm. et on veut s'apparenter à ça on a écouté avec attention les grandes dames vous êtes jeune fille leader en plus qu'est-ce que vous en tant que femme leader vous êtes en train de faire pour attirer l'attention de ces jeunes filles qui s'adonnent à ces pratiques. En tout cas, on est surtout en train d'attirer l'attention de la famille. L'attention de la famille. Les parents. Parce que c'est leur responsabilité. Mais est-ce que vous êtes en train déjà de dire aux parents, causez avec vos filles, échangez, donnez-leur la parole Il faut les écouter. Hmm. Il faut les contrôler surtout. Hmm. Il faut les suivre c'est l'air de voir. Parce hmm. qu'on ne peut pas comprendre qu'une petite fille de 13 ans <laughs> qui va se retrouver en train de consommer des stupéfiants. Eh, Quel problème elle <laughs> Mais comme je l'avais dit, vous avez la possibilité d'intervenir à tout moment dans ce public. L'émission, c'est une question de fada. Chacun peut amener sa contribution pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions. Parce que c'est vraiment, euh, n'est-ce pas, des problèmes qui gangrènent notre société. Alors, nous vous écoutons, monsieur. Vous allez vous présenter Merci. Euh, moi, c'est Ibrahim Idrissa. Monsieur Ibrahim, ça va bien Bien. Nous vous souhaitons la bienvenue sur l'émission. Merci beaucoup. Vous êtes bien habillé oh, Tout en bleu, comme on dit. Merci beaucoup. Super. Et la pioche et la pioche, elle va bien. <laughs> on vous voit sur les réseaux, les sociaux, sociaux, avec, euh, la rubrique L'artiste exprime. Merci, mon frère. Donc, euh, de ce que nous avons compris, l'état actuel des jeunes, mhm. c'est un état où les jeunes avaient. Euh, tu fais partie des jeunes oui, je suis jeune aussi. Tu as une fois teasé Non. De toute ta vie, de toi à moi Jamais. Non, mon bec hadawa Jamais. Parce que souvent, ceux qui prennent ça mm. évitent ces débats. Mais le thé, ça va. J'en prends euh, aussi. La fada, il faut du thé. Mm. Je ne parle pas du thé, je parle des stupéfiants. Ceux qui, consomment ça ne participent jamais à ces débats. Ça, c'est, un consommateur qui dit. Il dit que s'il consomme, il évite ces débats. Donc, moi, je voudrais dire que l'état actuel, c'est que mm. Euh, les gens ont eu euh, les stupéfiants à l'époque où c'était presque gratuit, mhm. jusqu'à ce que les gens prenaient ça mhm. et ils sont devenus accros. Mhm. Même s'ils veulent se retirer, ils ne peuvent pas. Oui, c'est vrai, quand voilà on à la chose, ça devient une seconde nature. L'habitude est une seconde nature. C'est pourquoi ils ne peuvent pas s'en passer. Ils le veulent. Ils veulent ne plus prendre, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils sont habitués, le corps est habitué. C'est pourquoi il faut les assister. Tout à l'heure, mhm. vous demandez euh, par exemple les chiffres. Je pense que ces chiffres n'existent pas. Personne ne peut dire quel est le chiffre à l'état actuel pour des enfants, pour des filles et pour des garçons. Mais ça, il le faut pourtant. Il faut avoir un répertoire. Voilà ceux qui sont dedans, qui ne peuvent plus euh, sortir. Mhm. Et qu'est-ce qu'on peut faire Pour les assister, vraiment pour les structures des jeunes, tout ce qu'on peut faire par manque de moyens, parce qu'il s'agit d'une prise en charge. Ces moyens. Il s'agit d'une prise en charge que le structure des jeunes malheureusement ne peut pas faire. Hmm. Ils sont limités à informer, à sensibiliser. Donc la solution pour la prise en charge, je pense qu'il faut d'autres structures de santé, d'autres, il faut l'implication de l'État pour prendre en charge ces enfants-là pour les désinstruire. Il faut des moyens. Voilà. Comme tu l'as dit, eh, Monsieur, vous voulez intervenir ou bien on va prendre une petite pause J'interviens après. On, va intervenir sur chap. Voilà, il y a un pas de problème. Il faut on Donc moi c'est Soumel Harouna. Monsieur Soumel Harouna, vous êtes Je suis le euh, secrétaire général de l'association culturelle Galgadi Matassa. Oh, Galgadi Matassa. Amoustabi, Amoustabi. Voilà, donc euh, comme on l'a dit même Galgadi Matassa vraiment c'est conseil, aux, Aux jeunes. Ah, donc dans ce sens-là, donc euh, euh, parce avec le CCAJ, avec on a eu à mener pas mal d'activités, mhm. donc euh, surtout au niveau des établissements scolaires. Mhm. Donc on a animé des, conférences sur ce thème-là. Sur le thème. Sur le thème même. le thème sur lequel nous discutons nous, un peu de ce que vous, quoi vous avez discuté. Voilà. Donc en tout cas au niveau des, établissements là, comment on a eu à, le dire, mhm. Donc la frange d'âge la plus euh, exposée, c'est vraiment de 13 à 30 ans là. 13 à 30 ans. Voilà, et surtout donc on sait que c'est du collège au, lycée. Mm. Donc c'est pour cela qu'on a fait, on a pris cette, cette cible là. Donc on a eu à faire des sensibilisations au niveau de ces établissements. Mm-hmm. Donc deux fois c'est un phénomène de mode. Comme non, euh, je crois. Non, pour cette partie, il y a pas de On est ensemble. L'artiste s'exprime, c'est une rubrique de l'émission Tous à la Fada. Vous savez que nous donnons la parole aux jeunes. Et sur cette émission, nous allons permettre à un artiste nigérien de s'exprimer. Nous sommes toujours à Gadez, mesdames et messieurs. On kiffe l'artiste de la semaine. Et tout de suite, Hey, Shine, is it? La suite est logique quand la démarche est limpide. Phoenix, faut comprendre, renaît toujours de ses cendres. Youpi, youpi, yo, what's up, can youpi, Vous, vous rappelez certainement de Phoenix Sino. Hier, sur l'émission Franco Aoussa présentée par la Miss Rim, nous avions parlé de l'histoire du hip-hop made in Niger, puisque Feno n'est plus à présenter. Aujourd'hui, sur cette émission, nous allons parler des chansons de Phoenix Feno. puisque Kaidan Gaskia 1 et Kaidan Gaskia 2 ne sont plus d'actualité. Le phénix renaît de ses cendres. Et sur cette émission, nous allons justement parler de son contenu. Berefeno, yeah. Dondi la machine te souhaite la bienvenue. Merci, merci, merci. L'équipe technique et opérationnelle sur cette émission. On va aller avec la toute première chanson que nous avons envie de vous... vous. dans le rap. Quand l'unique à nouveau frappe, Niga. et même valeur, voilà j'annonce les couleurs. Yeah. Hey, toi-même, tu sais, c'est l'homme que l'on nomme phénoménal. Yeah. Le, le phénix renaît de ses cendres. La ah, suite ah. est logique quand la démarche est limpide. Phoenix faut le comprendre, est toujours de ses cendres. Youpi youpi yo, what's up can youpi yeah. Youpi youpi yo, youpi yo, youpi yeah. La suite elle est logique quand la démarche est limpide. Youpi youpi yo, si tu veux, c'est c'est un truc qui est d'actualité. Ok. Et aussi, nous, quand on était à nos débuts, il y avait un groupe américain qui chantait ça. Ok. La deuxième chanson qu'on voit aller kiffer, c'est quoi déjà euh, Parce qu'on est là pour ça. Ça, c'est de l'exclusivité, hein. C'est de l'exclusivité, mana. La Marindunia. La Marindunia. la Non, c'est pas ça. C'est la Marindunia. Non c'est j'ai trouvé que ma société a changé. Ok. Euh, j'ai l'impression de me réveiller dans une société qui a perdu tout repère. Tout à Qui est malade et souffre encore d'une fièvre sévère. Ok. Où le monde est fort et pompé, l'excellence est étouffée. Ouais, ouais. Pour des considérations utopistes. L'idéal social sombre fout davantage. La plaie est payante. Ah, ah. Hein, l'hémorragie, il faut. Il faut la changer. Il faut la changer. <laughs> Ah, le message que tu veux surtout faire ressortir à travers cette chanson Le message, c'est vraiment que les gens euh, se ressaisissent ok et à aller vers la positivité. Quand tu parles de ton frère, parle en positif. Quand tu vois ton frère dans des difficultés, réfléchis positif pour lui. Quand tu peux aider, aide et on avance. Ça, c'est des chansons qui kiffer à travers la page officielle de l'artiste phénomène, phénomène. Yeah. Ladies and gentlemen, la chanson je kiffe, ça me donne la chair de poule parce que tu dis la vérité. Yeah. Oh, la dernière chanson, track cargo irse ne kan ne kan parce que j'ai o kal de trois rien o tin bande de boneo ouais c'est de l'exclusivité c'est toi que j'aime ça c'est l'homme parle l'homme fait parler le cœur le cœur yeah. hey, eh, ta connaissance m'a permis de connaître la vraie définition du mot amour quand tu es l'homme moi je ressens un vide à moi hey. Eh. c'est toi que j'aime je sais pourquoi. Je veux pas dire autre car t'es mon choix. C'est toi que j'aime. Je sais pourquoi. <laughs> Je veux pas dire autre car t'es mon choix. Toutes les âmes sensibles, Phénobie, quand même, a fait plaisir à vous. Hein. Nous sommes pratiquement donc à la fin de cette rubrique consacrée à l'artiste Phénobie faisons en L'instinct est solennel. Tout ce dont tu as besoin, tous les gars qui sont là, Tout ce qui doivent soutenir, comment procéder pour t'accompagner dans cette carrière. Ouais, si tu veux accompagner, si et aussi écouter les exclusivités et de la bonne vibes musicale qu'il est en train de sortir, il faut, euh, si c'est YouTube, tu vas sur Feno TV. Si tu vas sur Facebook aussi, tu vas voir euh, officiellement Feno ou bien sur euh, Phoenix Phéno ou bien sûr Phénoménal. Donc euh, c'est un peu euh, toutes ces pages, tu vas me retrouver et tu pourras écouter les exclusivités musicales. Si tu veux donner conseil, si tu veux aussi euh, proposer des choses, n'hésite pas, phénoménal.

À l'instant testé, la rubrique L'artiste s'exprime sur l'émission Tout ça, la Fada. Cette émission, vous le savez bien, est consacrée à la jeunesse nigérienne. C'est ça aussi la Fada. Muchigaba. Consommation de stupéfiants par les jeunes. Les actions de lutte contre la pratique agadez. C'est ça le thème du jour, mesdames et messieurs. Nous sommes avec des jeunes. On revient avec Monsieur Ataka, influenceur. El Nigerian, voilà. Ah, c'est l'authentique même. El Nigeriano, il aime le Niger. On va le circonstruire. Il aime le Niger, on aime tous le Niger. El Nigeriano. Oui. aigo hangan isi aigi bai mana sani fu irma dai matkan structure au eh, oh, de jeunes nutida mm il faut nous en tant qu'influenceur arango te région wara pour que jeune me fata wide lora el nigériano parce que on connaît d'une influenceur wara kul gangana aransi combat hmm. wane morig be karan combat no bon matakan na euh, aiga faman dini se da faman de sir mamma eh du bore kan go hangana eh antenne aussi intada oli singi eh hay kan bor influenceur e goti ta agbagumo mm -hmm d'abord asini se tugurera mm -hmm. kan hunkuna influencer hay kan himan daimete igogati mm -hmm. me ne bay hay fogona kan giti problème wasan eh, excuse-moi, j'ai un peu utilisé ma langue. Il y a pas de souci. <laughs> Utilise ta langue, wasan Donc, euh, continue en tamashek. aussi, oh. les influenceurs, mm. kokaro ke igo kande mm. Niger aussi. Mm. igog igo kande chaque jour. Mm. Kan manti ini dangarano ingeno tungu fu ingeno ninge bondangara igogi sensibilisation yote zama barkul kango nango mm. agonda page facebook mm. profil facebook mm. mais nigi ko ga hantum texte fo bon sur les stupéfiants wone kan bon sala pourtant structure yangono Eh, gwamnati gwamnatera boriyan gono kan yanga association feri kan yan gwanda moyen kan yan gwanda partenaire kan gu partenaire ay dalaita gine nge ga sensibilisation gine nge ga hay foyante gwamnati hi mag bore wo kul no gabi association wo kul kan yango ko karote mm. amino gabi zama hay kan sen go gine ni se example eh, maire kan commune eh, ra ak sambu décret am décret ka mm. gine stupéfiant shisha hayango Irne ganji Irne ganji oh. mais a sa gana ga appliquer hmm. application aussi nous nugo go fam ay go fam ya de kra de no ga kawai kan se hayakana se ra a hindiri kan kwaya hayen wo bagu abagu ma am de kara kam ka shada magisi amaka amagisi Me mais ga aplike. kai ka Wala ka giga mun sinan ko sunana isufa alhasan isufa alhasan oui mhm. eh, Kama kaman yadda duka suka fadi mhm. eh, Kama kaman problem wanga an ana so a tsaye da duka ga harkata mhm. shaye shaye da sauransu ya zama to mutane sun mai da abun kama. kasuwa mm. eh, ƙungiyoyi wanda suke yaƙi da wannan abu su su mai da shi kama su ma eh, suna kama ci da shi mm. gwamnati ita ma tana profite da wannan abu wanda suke sai da sai dan ma su ma suna suna samun kuɗi suna samun kuɗi yara kuma sun ga abun eh, sai suke suke ko abun da an kai dole sai an sayo sai an sai a to to ya zama to in so ake ayi yaƙi da wannan abu mm. saboda in gwamnati tana tunani tana so ta kare al'ummarta mm-hmm. don saboda al'ummar da take shaye-shaye wa gaba babu ba a samu al'umma wadda yake gobe za mu zo mu zamanto muna kuri da ita muna gaba da ita babu mm. sai ya zamanto cewa ita ta kama jiki kana wanda za ta yi duk wanda ya yi wannan abu kamar da dan uwa na fadi yanzu mm. ana yin a fuddo doka a ce abin da ke doka ce kowa sani shikenan ba gawa kashi aka ce dan mare reji kun kun kara wani abu kun bata je reviens à vous ah. monsieur vous allez intervenir laissez la dame hajiya on revient à vous vous allez nous dire les difficultés que vous rencontrez dans l'exécution de vos actions pour lutter contre la consommation des stupéfiants. Arangodu, masala masalame. To masale kan voilà hmm. Wallahi gaba. parce que irgo sensibilisation ye mm te recommandation ya mhm. ama igu gor nodin nanka yenirhantum, hmm. nodin ni gu goru ne déjeuner sur la am voilà ah, ya din kena il faut que haye koyar go kire recommendation da solise koyar go no ir Ihima ihimagi sambu go goidai mhm. don don di don di go goidai don ai bai dai hunkun dai problemo wo a dai zabu dai ba hmm. dai irga ba imidi irse hmm. imidi irse mai no arag bam diana se autorité oh. partenaire bobo gono ne wa ga des partenaire bobo gono ka igin e girga irge ka woni bom bananta ce yan de heni kan go aran sar binera ngidir ke kizabi fokem du soli ko emission go haja am kando dogo angane se on sait que les dealers et consommateurs de stupéfiants utilisent toujours des méthodes peu communes pour passer entre les mails du filet et vous l'avez évoqué en première partie d'émission et vous de votre côté est-ce que vous disposez des moyens pour les démasquer en tout cas on en a ah. personnellement j'en ai mais vous n'allez pas dévoiler ça sur l'émission Non, je ne vais pas, le faire. On, va non, pas on ne va pas le faire, mais quand même, on le fait. OK. Étant journaliste, de formation. Ah, je connais quand même les voies, et moyens, qui peuvent me permettre de dénoncer tout en étant discret, sans que je ne me fasse dévoiler la face. Je prends une petite pause musicale. On va aller kiffer la formation bien, non, mesdames et messieurs. Ça vous dit certainement beaucoup de choses. Ataka, tu peux me faire un peu ressortir euh, l'histoire de Biano sur l'émission, ce que ça signifie et tout ça Attention, c'est pas forcément euh, les gens de la vieille ville qui vont raconter. Même nous, on peut raconter parce que c'est une fête qui appartient à tout le monde. Ah. D'abord, c'est pour tout le Niger. Ça, c'est une culture typiquement nigérienne. Dès qu'on voit, on sait que ça, c'est nigérien. Ah. Au départ, vraiment, depuis qu'on était des petits-enfants. On voyait que la fête bien nous. On était pressé même que l'année revienne ah. pour qu'on sorte dans nos 31. Donc c'est une fête. C'est une fête vraiment culturelle. culturelle nationale. Culturelle nationale. Fraternité, travail, programme. La plus vieille fête de l'Afrique de l'Est. Voilà. Donc on va travailler pour pouvoir progresser. Vous êtes d'accord avec moi Je suis d'accord. On va kiffer la formation bien ça te Oui. Super. On kiffe ces jeunes et tout de suite la suite. yaro ka zo mu takar wa dan biyano Aka ne ya kasance mu zo mu taka rawa biyano kai yaro ka zo ka sha zariya dan biyano Aka ne ya kasance mu zo mu sha zariya biyano ga tutar gabas ta yamma sai dai biyano Aka ne ya kasance mu zo mu takar rawa ta gado sai ke bi kamar hakan zan mu sha zariya biyano sai ke bi kamar hakan zan mu taka rawa biyano ke bi kamar hakan zan mu takar wa ta gado

À l'instant, c'était la chanson bien. Continuons ce que nous avons commencé. Monsieur le jeune, j'étais pas oublié. Il fut le débat. La consommation de stupéfiants concerne la plus grande majorité les jeunes. Alors, est-ce qu'il existe une coordination entre vos structures de jeunes et les autorités ici présentes pour conjuguer vos efforts dans un but commun. bien sûr qu'il y a une collaboration entre les, les, conseils communaux des jeunes et les autorités communales. Ah. Et je t'invite même à visiter notre page Conseil communal de la jeunesse d'Agadez. Conseil communal de la, jeunesse, d'Agadez sur Facebook pour voir tous les On que nous avons les jeunes du Niger, allez-y et... consulter la page tout de suite maintenant. Likez, commentez et partagez. Voilà, merci ah, beaucoup. Ah. Olivier Olivier am kaga tonan dirdo labaru kanga kase satora. Olivier. Oui mon vieux. Réponds. Olivier, quand je dis Olivier, tu sais très bien qu'un lion ne peut pas crier comme un lion. Ça. Donc, qu'est-ce que tu veux je vous demande de faire un maximum de bruit pour l'hiver, s'il vous plaît. Merci, le vieux. Alors, Merci beaucoup. nous allons terminer ce que nous avions commencé, hier. sur l'émission présentée par la Miss Rim, c'est-à-dire le samedi, vous mhm. avez évoqué une situation. nous vous avez promis aux qu'aujourd'hui, vous allez, euh, venir sur cette émission pour terminer. Exactement. vous avez commencé. Parce que nous sommes les terminateurs. exactement. Ah, Quand on commence, on termine. Alors, alors Alors, terminons. Alors, j'espère que vous serez là comme vous aviez été là hier. Hein. Mhm. C'était super fun hier. Ah. Amis de la Fada, bonsoir. Hier, j'avais abordé le thème de la compétitivité et j'ai pris l'exemple d'Agadez et Niamey, deux régions d'un même pays. Mais ce soir, nous allons aller un peu loin de notre réflexion. D'abord, nous allons aller sur le plan international directement. Le fait que le programme des Nations Unies pour le développement classe le Niger depuis plusieurs années déjà parmi les plus pauvres de la planète nous doit faire comprendre que, en réalité, nous sommes en compétition. Puisque depuis plusieurs années déjà, nous sommes dans une ère de mondialisation et de globalisation. Une ère qui nous impose une marche en rang dispersé vers un objectif comme le développement. Quand on prend des grands pays comme la France, ils nous parleront par exemple de l'avenir de la France. Mais si vous voyez de près, ils évoquent ce que nous désignons ici le développement. À ce titre, aucun pays ne peut prétendre un niveau de développement qui lui donne le privilège de ne pas se mettre en compétition avec les autres pays. Eh bien, nous jeunes Nigériens doivent alors comprendre que nous sommes en compétition avec les autres qui ne sommes pas nous. En compétition pour quitter le rang du dernier pays au monde. Une compétition qui nous amènera à avoir des solutions pour nos problèmes une compétition qui nous aidera à comprendre que le vrai combat, c'est contre la pauvreté et la précarité. Car cette compétition dont je parle et dont j'ai commencé à parler depuis hier n'est pas justement la haine et le rejet de l'autre, mais de l'union des intelligences pour un Niger grand et puissant. C'est la fin de la chronique de ce soir, mais je vous connais et à votre habitude, je sais que vous avez des commentaires. Quels sont vos commentaires d'hier jusqu'à aujourd'hui Oui, madame, j'ai envie de vous écouter. Euh, bah, comme tu viens de le dire, on est toujours classé les plus pauvres. Mais je me demande pourquoi on est pauvre. On a le pétrole, on a l'iranium, on a l'or et des pierres précieuses. Bah, on est pauvre en quoi alors bah, C'est une question eh, bah oui, eh, bah, je, me demande. Moi aussi, non, je, pas moi je me demande. Ah ben, voilà, mais c'est une question qu'on doit se poser, nous les jeunes. Donc ça veut dire qu'on qu'il y a quelque chose qui manque. Quoi. Il y a quelque chose qui manque. Je quelqu'un a envie de compléter. Non, moi j'ai envie de compléter. Et pourquoi aussi hmm. eh, eh, Tu vois, l'uranium et tout ce qu'on peut penser, eh, le charbon vient de là, mais Alcasson, la route de l'uranium à, à Sbori. je me pose aussi cette question. Pourquoi Qu'est-ce qui explique ça Pourquoi <laughs> On se pose tous la question. pourquoi on n'a pas de la Pourquoi pas Pourquoi pas ici voilà. pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi et tout cela nous rappelle que nous sommes en compétition avec les autres et nous devons travailler jour et nuit pour que notre pays, le Niger, soit parmi les pays les plus émergents. Et ça n'est que possible que par l'union, le travail acharné et, surtout la paix, l'amour et surtout la bonne volonté. D'ici là, portez-vous bien. Comme toujours, paix, lumière, amour sur vous. Et ce soir, big love sur vous, Agadez. Merci à vous, les gars. Alors j'aurais besoin, eh bien évidemment, de l'intervention de tout le monde. Chacun n'a qu'à placer un mot. Je commencerai par le jeune. Quand je dis moi, je parle un peu eh, de vos projets en cours, moyen et long terme eh, pour arrêter la consommation des stupéfiants par des jeunes de la région d'Agadez. Qu'est-ce qu'on peut donc déjà penser tout de suite, dans un instant et sur un long terme En, tant que jeune, qu'est-ce que vous êtes en train de faire En une phrase. Actuellement, nous sommes en train de, préparer une activité en collaboration avec la mairie. Avec la mairie C'est une caravane de sensibilisation. Ça commence quand Bientôt, Bientôt. Oui, c'est la consommation des stupéfiants. Waouh, ça c'est énorme. Monsieur El en tant qu'influenceur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour moyen et long terme En une phrase, s'il vous plaît. Moi, ce que je peux faire, c'est mhm. de contribuer. C'est d'amener ma modeste contribution, pas sur les réseaux sociaux seulement, mhm même sur le terrain. Sur le terrain, ok. Et physiquement, moralement, mhm. Mhm. parce que si je ah, peux... financièrement, même si c'est financièrement, on, va le faire. ça. Non, financièrement, vous devrez, on, devrait vous accompagner. Mais pour finir, j'ai un appel, mhm. si vous le me permettez. Bien, bien sûr, l'appel compte. L'instant est L'appel que je lance aux autorités du Niger, qu'ils prennent au sérieux la question de la consommation de stupéfiants chez les jeunes et les jeunes filles. Point qu'ils prennent ça au sérieux, qu'ils mettent ça dans leur programme. Merci. Ah, vous m'avez donné la chair des poules. Mon Karshe, Aja Myriam, KV a ajouté des messages, des appels, des conseils, structure de jeunes autorités. L'instant est solennel. Vous allez conclure. On vous laisse donc euh, une minute de temps d'antenne pour dire tout ce que vous avez au fond de vos entrailles. Oui, oui. Je pense que mes, petits frères, là, ils ont touché vraiment tous les points qui sont les solutions. C'est d'abord l'éducation. Mhm. Mettre les jeunes dans de meilleures conditions d'étudier pour vraiment remédier à ce problème de consommation. mashino anganda agadas boragine aranse kan irtoy bisowome kade dirkodir kabsati funwa gakanda aranse sannize taji hey.